le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Il est 18h15 C'est l'heure du forum du studio Kalangou. Le studio Kalangou que vous suivez chaque jour à travers un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffuse en direct nos programmes dans une vingtaine de départements du pays ainsi que dans toutes les capitales régionales. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz ou Challenge FM 89 96.6 MHz. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu. Notre site internet, www.studiokalangu.org. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous du forum de ce soir. Le forum du studio Kalangou, c'est ce débat radiophonique avec des personnes ressources sur des thématiques riches et variées dans le seul but de vous éclairer sur plusieurs questions d'actualité ou de société que vous vous posez souvent. C'est ainsi que nous vous proposons ce soir le thème La liberté de la presse au Niger. C'est en effet, vous le savez, demain, jeudi 3 mai, que sera célébré le 25e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, c'est le thème choisi cette année pour commémorer cette journée mondiale proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 sur recommandation de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO. Rappelons que cette journée mondiale de la liberté de la presse constitue avant tout une réponse à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ce qui n'est toujours pas le cas dans beaucoup de pays, en témoignent les rapports que publie chaque année Reporters sans frontières sur l'état de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion dans le monde. Que signifie la liberté de presse dans un État de droit À qui profite cette liberté de presse Le président de la République Issouf Mohamedou est le premier chef d'État africain à avoir signé la déclaration de la montagne de la table visant à abolir les lois sur la diffamation et l'injure publique en Afrique un événement que nous célébrons aussi au plan national comme Journée nationale de la liberté de la presse. Force est cependant de constater, malgré cet acte salutaire, le pays apparaît régulièrement mal classé en matière de liberté de presse. Qu'est-ce qui explique cet état de fait Peut-on espérer une amélioration de cette situation de la liberté de la presse au Niger Quelle doit être la responsabilité des journalistes Quelle piste de solutions proposer ce sont là les principales questions auxquelles nous tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum du studio Kalangu qui reçoit comme invité ce soir deux confrères. Il s'agit de Moudi Moussa, journaliste rédacteur en chef du groupe de presse Enfani et membre du bureau du syndicat national des agents et travailleurs de l'information et de la communication Sinatica le Synatique dirigé par notre confrère Babalfa, ancien président de la Maison de la Presse, SPC du territoire national il y a quelques semaines après avoir purgé un an de prison ferme pour usage de faux. Moudi Moussa, bonsoir. Bonsoir Michel. Le deuxième invité que nous avons, c'est Gibril Seydou. Il est journaliste. Monsieur Gibril, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Deji. Bienvenue, chers confrères. Intéressons-nous tout d'abord à ce rapport 2018 du classement de l'ONG Reporters sans frontières paru la semaine écoulée sur la liberté, la situation de la liberté de la presse dans le monde. Le Niger apparaît cette année à la 63e place sur 180 pays classés. Il faut préciser qu'il a perdu deux places par rapport au classement de 2017. Au plan continental, il a cependant gagné un point de plus que l'année passée, suivant un résumé de ce rapport RSF 2018 avec Alassane Kouzi Mohamedou. 63e sur 180 pays classés, le Niger perd en effet deux points comparativement à l'année passée où il est classé 101e mondial. Néanmoins, sur le continent africain, le Niger se classe 11e cette année, soit un point de plus que l'année dernière où il occupait le 12e rang. Sur le site web de RSF, un bref résumé est fait concernant les raisons du recul du Niger dans le classement. L'on pouvait lire par exemple, je cite, Les journalistes continuent d'être jugés et emprisonnés sur la base des articles du Code pénal et non sur celle de la loi sur la presse qui dépénalise les délits de presse. Un journaliste réputé pour son professionnalisme et sa vision critique de la gestion des affaires publiques avait été condamné en juillet 2017 à deux ans de prison ferme et dix ans de privation de droits civils et politiques. D'autres journalistes critiques font également l'objet de harcèlement sur Internet et se sont vus retirer leur accréditation. Fin de citation. Notre Tant que ce classement 2018 de RSF place la Norvège au premier rang et en Afrique, c'est le Ghana qui est en tête. Les rangs de dernier sont occupés par la Corée du Nord au plan mondial et l'Érythrée au plan africain. Le Ghana en tête donc cette année sur le continent africain dans ce classement du RSF, le Ghana qui reçoit ce grand privilège d'être choisi par l'UNESCO pour abriter au plan mondial les festivités de ce 25e anniversaire de la liberté de presse officiellement lancée ce matin à Accra. Jibril Seydou, quelle analyse faites-vous de ce rapport 63e au plan mondial, 11e en Afrique ben, merci. Euh, l'analyse qu'on peut rapidement faire, c'est qu'on constate qu'il y a eu un recul recul euh, en matière de la liberté d'expression de manière globale, recul aussi en matière de liberté de presse. Ce n'est pas étonnant quand on sait euh, toutes les vicissitudes que les professionnels des médias ou disons les médias ont enduré ces derniers mois euh, au Niger. Ce n'est pas étonnant quand on connaît le niveau de crispation des relations entre acteurs étatiques et acteurs de médias. Ce n'est pas surprenant euh, quand on regarde un peu euh, toute cette levée de boucliers que la liberté de la presse a suscité au niveau de certaines paroisses politiques qui euh, n'admettent pas euh, que euh, la presse ait une certaine liberté de temps. C'est dommage qu'on soit relégué à ce point parce que six ou sept années plus tôt, le Niger a réalisé un bon spectaculaire. Disons que ça a été une performance inédite pour un pays africain puisque vous vous rappelez qu'à cette période, nous avions gagné beaucoup de points. Qu'est-ce qui a dopé euh, le classement ou disons le rang de notre pays à l'époque C'était parce que euh, nous avions connu 13 mois de transition euh, militaire, mais 13 mois durant lesquels on n'a pas perçu d'atteinte notoire à l'exercice de, la liberté de la presse pour notre pays. Cela veut dire quoi Cela veut dire que toutes les fois que euh, au niveau et ça colle effectivement avec le thème de la célébration de cette 25e journée, toutefois que il y a euh, un bon assemblage ou disons il y a une coexistence entre guillemets pacifique entre médias, entre médias et justice, entre médias et droit, entre médias et pouvoir, cela fera le lit à une, disons, euh, à une expression euh, de cette liberté. Cela fera le lit au renforcement de la liberté de la presse. Est-ce que vous avez été surpris par ce classement en quelque sorte Je n'en suis pas surpris et je l'ai dit en début de propos que ce n'est pas une surprise quand on essaye de faire toute la euh, genèse ou disons la rétrospective de ce qui s'est passé ces derniers mois. je voudrais juste ajouter que euh, peut-être il y a des efforts à faire de part et d'autre, hmm. mais il y a plus d'efforts à faire euh, du côté de ceux qui détiennent le pouvoir d'État pour que on puisse avancer. Moudi Moussa, à votre niveau, euh, vous êtes euh, membre du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication. Vous, vous avez fermement eu à dénoncer cette situation de la liberté de la presse au Niger à plusieurs reprises. La dernière en date, c'était suite à la fermeture du groupe de presse Labari le dimanche 25 mars dernier, après avoir invité un avocat, Maître Lewan Abdourahman, actuellement en prison à Daikaina, le sit-in que vous aviez prévu de faire à la devanture du ministère de tutelle avait malheureusement été interdit. Que signifie pour vous cette interdiction Voilà, donc euh, merci Michel Déji. Alors, euh, cette interdiction, hein, à notre avis, et on l'a d'ailleurs souligné depuis euh, le jour où, en tout cas, elle est intervenue où pratiquement on s'était vu carrément interdit de notre d'organiser notre sitting et nous avions donc accusé le pouvoir parce que si vous vous rappelez le sitting c'était, comme vous l'avez dit, au lendemain des, euh, événements surgis donc au niveau du groupe de presse euh, Labari qui avait donc été fermé si vous voulez de façon euh, pratiquement et là ce sont des pratiques qui jurent d'avec le respect de la liberté de la presse, avec la démocratie tout court. Et pour nous, cette interdiction qui nous a été donc euh, euh, faite de, tenir notre sitting n'est ni plus ni moins qu'une suite, la suite logique donc de la volonté des princes au pouvoir de museler la presse et de mettre pratiquement sous coupe réglée euh, les journalistes euh, que nous sommes. Parce que euh, pour revenir sur les raisons de sitting, qu'est-ce qui nous a pratiquement motivé à l'organiser Vous voyez, depuis, en tout cas ces dernières années, je vais dire depuis l'avènement de la 7 ème République, le camarade ou disons confrère ici l'a souligné, que pratiquement en dehors donc de la période de la transition où on a connu pratiquement une certaine stabilité eh, au plan de la liberté de la presse depuis l'avènement de la 7 République, il n'y a eu qu'une seule année, si j'ai bonne mémoire, en 2012 où on a plus ou moins gagné et je crois plus tard vers euh, euh, euh ou 15, je ne me souviens plus. Il y a eu aussi un bon où on a avancé d'un seul point. Donc depuis lors, toutes ces années, c'est toujours la dégringolade, vous l'avez euh, constaté. Et les faits, euh, c'est clair, c'est connu euh, de, tous, c'est un secret de polichinelle. Jamais, en tout cas, on a vu. C'est vrai, par le passé, on voit dans le cadre du maintien de l'ordre comment les journalistes étaient traités, mais cette fois-ci, pratiquement, on ne fait aucune différence entre les journalistes et les manifestants. Le premier rapport que reporter sans frontières de 2013, euh, je crois, euh, qu'il a eu, non, 2015, 2015, oui, 2015 qu'il a eu à traiter, qu'il a publié. Donc, c'était quoi Il a dit que euh, quand le Niger a reculé dans le classement, il a rappelé que c'est du fait du journaliste, c'est-à-dire c'est quelque part du fait du comportement des, confrères, n'est-ce pas Et ça, tout le monde l'a dit, les confrères ont reconnu effectivement que à ce niveau, donc, ils n'avaient pas, euh, l'expression, assurée. Mm. Et depuis lors, chaque année, parce que euh, l'avantage c'est qu'à chaque fois que Reporters sans frontières publie ses rapports, il les accompagne de quelques commentaires pour expliquer le pourquoi donc des, classements d'un ou tel pays. Et là, depuis lors, euh, ces dernières années, les, raisons de notre recul, selon Reporters sans frontières, sans frontières, disons, c'est pratiquement du fait des autorités, le pouvoir public. Hein? Vous avez parlé du cas du groupe de presse euh, Labari qui a été fermé dans les conditions que je vous ai rappelées. On a vu sur le terrain des journalistes n'est-ce pas, qu'on violente carrément et qu'on arrache aussi les matériels de, de, reportage. On a vu aussi d'autres nouvelles formes de menaces quand vous prenez les, les, redressements fiscaux adressés donc à certaines euh, entreprises euh, de presse. Il y a aussi d'autres mesures que vous connaissez très bien et dont nous, à notre niveau, nous avons toujours euh, dénoncé. Donc, mm. c'est sans surprise que justement euh, nous, nous, voyons à nouveau et donc reculer dans euh, ce classement de Reporters sans frontières. Après toutes euh, les dénonciations que vous aviez eu à faire, on a appris par la suite l'expulsion de notre confrère Babalfa, secrétaire général de votre syndicat, pour des raisons de sécurité intérieure, selon le ministère de l'Intérieur. Quel regard portez-vous sur ce cas vous savez, par rapport au cas de Baba Alpha, moi je suis même euh, un peu gêné d'en parler parce que euh, vraiment c'est un dossier qui prouve euh, si vous voulez, euh, toute la haine, vous me permettez l'expression, que euh, les autorités en place ont vis-à-vis de la liberté d'expression. Pour tout celui qui connaît Baba Alpha, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un journaliste qui n'avait pas, ou disons qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il suffit donc de vous référer pratiquement à, ces éléments ces prises de position par rapport à la gestion, n'est-ce pas, des affaires publiques. Et là, nous avions vu qu'effectivement, euh, depuis le début de l'affaire, et ça nous l'avons dit également dans une déclaration, au départ, Baba Alpha avait donc été euh, arrêté dans un premier temps euh, avant donc de se voir pratiquement, comment on appelle ça, transféré au niveau de la maison d'arrêt, et il avait été pris en compagnie d'autres personnes, notamment trois. Et on a dit que dans le cadre du traitement, la façon dont la procédure a été menée pratiquement prouve que ce n'est pas d'autres choses qu'on cherche, mais c'est plutôt la personne du journaliste Baba Alpha. En gros, vous pensez cherche. donc que on Baba a vu, Alpha, c'est on a vu euh, Toute la procédure consiste, selon vous, absolument. à dire que Baba Alpha, c'est parce qu'elle dérange en quelque sorte. C'est clair, parce que je vous ai parlé de comment d'abord il a été pris, on a vu les conditions, ensuite comment les autres, euh, euh, comment on appelle ça, les autres personnes en compagnie de qui il a été arrêté, comment elles aussi ont après, n'est-ce pas, obtenu facilement leur libération. Je ne vais pas revenir faire de comment sur comment la justice a géré la question. Mais nous, la procédure, la démarche telle qu'elle a été, euh, en tout cas, adoptée, nous avions euh, critiqué cette euh, démarche-là. Et ensuite, après quand il a été jugé, il a été condamné dans un premier temps par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il a fait appel de ce jugement qui donc a permis de réduire sa peine de pratiquement un an, n'est-ce pas et avec euh, euh, tout ce qui a été retenu euh, comme, comme sanction. Alors après ça, le jour de sa libération, nous on était là, on s'attendait à accueillir notre camarade lorsque nous apprenons dans les environs de 15 heures qu'il avait été expulsé et vous savez dans quelles conditions. Alors que la décision de justice ne faisait pas mention n'est-ce pas, de l'expulsion de notre camarade Baba Il devait purger un an d'emprisonnement ferme et un an avec sursis. On aurait au moins dû le laisser, n'est-ce pas, purger euh, sa peine conformément donc à, la décision rendue par la Cour d'appel, mais ce n'est pas ce que les gens ont voulu faire. Les gens ont voulu, eux, agir comme ils l'entendent et mettre karma de côté ce que la justice euh, a prévu donc, dans le cadre du traitement de ce, dossier. C'est un dossier qui est un peu difficile et délicat, il faut le préciser. Notre confrère a quand même, quand bien même, été condamné par la justice. Euh, un mot, euh, Jibril Seydou. On c'est un peu douloureux de, mm-hmm. de commenter cette situation mm-hmm. euh, très malheureuse euh, mm-hmm. euh, à l'encontre d'un confrère, d'un journaliste euh, qui a quand même fait preuve euh, d'une certaine combativité pour la liberté de presse dans ce pays, de quelqu'un aussi qui s'est surtout singularisé pour euh, son professionnalisme euh, en tant que journaliste, mais je pense que euh, ce sont des situations malheureuses qui ne participent pas à, d'une part, asseoir les bases d'un exercice sain et sécurisé de la profession de journaliste, mais d'autre part, ce sont aussi euh, des situations qui sont de nature à abîmer l'image euh, du Niger, l'image de la République du Niger, parce que vous savez, euh, le Niger a souscrit depuis plusieurs décennies, depuis les années 60, depuis notre indépendance, à divers textes au niveau international, des textes qui interdisent la patrie. Et c'était la situation euh, dans laquelle justement euh, le confrère avait été, euh, disons, a été contraint. Un principe du droit commun, il faut dire, qu'il n'a cependant rien à voir avec l'exercice du métier. Effectivement, parce que il, est inconcevable. D'ailleurs, ça n'a pas de sens de concevoir aujourd'hui un individu qui n'a pas de patrie. Ça n'existe pas. En tout cas, un en droit, ça n'existe pas. Donc euh, je pense que c'est un peu malheureux euh, qu'on soit arrivé euh, à ces stades. On va accélérer. Il faut préciser, c'est vrai, il n'y a pas le droit du sol. Il y a deux droits, le droit du sol, le droit de filiation également. C'est un débat un peu juridique. Nous allons progresser par rapport à cela. Nous avons quand même RSF qui dit que la haine du journalisme menace les démocraties. C'était d'ailleurs les thématiques choisies en ce qui concerne la publication du dernier rapport euh, que cette ONG, Reporters sans frontières, a eu à faire pour exprimer les sentiments haineux à l'encontre de certains journalistes. Monsieur Jibril Seydou, s'il faut expliquer en réalité la liberté de la presse au public, euh, qu'est-ce qu'il faut dire Bon, je ne veux pas m'encombrer dans une définition standard, mais cette liberté, disons qu'elle consiste d'abord à créer euh, un environnement pour euh, une euh, expression euh, plurielle, pour une expression libre de des médias, d'abord de, la presse, que les droits des journalistes soient garantis, que la liberté de temps au niveau de la presse soit garantie, que au niveau législatif les lois soient, disons, confectionnées de nature à améliorer euh, la, libre expression, mais aussi de manière à ne pas euh, servir de, tremplin pour euh, que les lois ne soient pas liberticides mm. pour les journalistes. En quelque sorte, c'est ça. Mais disons que il y a plusieurs niveaux d'appréciation. Dans tous les États, vous prenez l'État le plus autocratique du monde, on va vous dire que nous, garantissons la liberté de la presse. Mhm. Peut-être au niveau de l'architecture législative. On prend des lois, c'est le cas pour la plupart des pays. On prend une loi, peut-être souvent dans la Constitution, on affirme que l'État garantit tel, tel, tel, surtout le droit de, de la presse, etc. Mais dans les faits, on constate qu'il y a des violations quasi répétitive, quasi quotidienne de ces libertés. Tout à l'heure, euh, mon jeune euh, confrère Moudi disait que il a fait cas d'un certain nombre de d'atteintes euh, tout à fait, j'allais dire grossières et grotesques à la liberté de la presse. C'était le cas de cette fermeture quand même assez cocasse du groupe de presse Labari. Mm-hmm. Et nous avons ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la communication, qui est l'autorité en charge de la régulation des médias. Et c'est cette autorité qui, de par la Constitution, donc de par la loi suprême, fondamentale, mm-hmm. de la République, a donc le droit de se prononcer sur la sanction ou pas d'un organe de presse. Mm. Ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, il y a eu une décision de justice pour lever le siège de ce groupe de presse. Cela n'avait pas été immédiatement suivi. Il a fallu que, euh, je ne sais pas, euh, de l'eau euh, coule sous le pont pour que ça soit levé. Tout ça, ce sont des situations regrettables. Il y a aussi le cas qu'il a invoqué de ces redressements fiscaux quelque peu euh, disons, surprenant, euh, qui s'assimilerait même à une sorte de représailles fiscales, puisque on voit que dans une certaine mesure, euh, ce sont des redressements quasi ciblés, ciblés vers des entreprises de presse dont on n'est pas peut-être satisfait de la manière du traitement de l'information. On n'a pas encore eu suffisamment de preuves par rapport à ça. Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est quasi ciblé, parce que mhm. euh, aujourd'hui, on a eu quand même des responsables de ces entreprises qui ont témoigné, qui ont donné des exemples, qui ont, qui ont expliqué un peu euh, au niveau interne les pressions qu'ils ont subies vous savez que euh, je ne veux pas, peut-être, vous avez suivi certainement la, déclaration mhm. du, patron de l'enquêteur qui a expliqué, ou disons même, euh, ils ont fait un édito dans, au, lequel... au nom d'un cadre dit indépendant de la presse privée. Voilà. Mhm. Donc, euh, je pense que ce sont des situations tout à fait regrettables et on a besoin de se ressaisir pour pouvoir gagner davantage de points en termes de classement euh, de la liberté de la presse. Oui, Moudi Moussa, ils ont dit que c'était programmé en fait euh, que la presse privée soit étouffée et que c'est l'avis quand même qui était dit et qui était partagé par le cadre qui a eu à condamner d'ailleurs euh, cela. Qu'avez-vous à dire, Moudi Moussa Avant le cadre, je crois qu'au niveau du Sénatique, on a eu à se prononcer sur cette même question. Et je crois qu'on a euh, pratiquement eu les mêmes termes pour, euh, euh, disons, décrire la situation telle qu'elle se présente. Et là, à notre niveau, au niveau du Sénatique, on n'est pas passé par quatre chemins pour effectivement affirmer que, en tout cas, certaines mesures qui sont prises visent tout simplement à mettre sous coupe réglée, nous l'avons dit, n'est-ce pas, la presse. Et nous avions également dit que nous sommes inquiets que euh, ces mesures euh, concernent seulement euh, certains médias qu'on considère comme étant mal pensants, qui ne seraient pas tendres avec le pouvoir, parce que on a vu d'autres médias, même quand on amène, par exemple, la correspondance, elle n'est jamais suivie. donc, c'est juste pour un peu essayer de noyer, comme on dit, le poisson dans l'eau, dans on amène pour tout le monde, mais on suit avec plus de rigueur les uns euh, que les autres. donc là, nous estimons que euh, c'est extrêmement euh, inquiétant et cela doit inquiéter je l'ai dit, en tout cas, tout défenseur de la liberté de presse et tout démocrate sincère. Parce que, vous le savez, la liberté de la presse, c'est en fait le fondement, si vous voulez, de la démocratie. Parce mmh que sans liberté de presse, je pense qu'on ne doit même pas parler de, démocratie, dans un état de droit, euh, logiquement. Et c'est pour ça que nous, au niveau du Sénatique, on s'est toujours battu pour effectivement garantir le respect de euh, cette liberté, parce que on sait que sans cette liberté, effectivement, euh, le travail sera peut-être très difficile et décédemment, les princes qui nous gouvernent, euh, en tout cas, s'inscrivent dans cette logique de ne rien considérer. Et vous avez vu tout à l'heure, euh, le grand frère avait, en parlant de certaines entraves, euh, évoqué donc certains manquements. Parce que là où c'est grave, monsieur DJ, vous savez, pour encadrer la liberté de la presse au Niger, nous avons un certain nombre de textes Mhm. n'est-ce pas, et qui sont là réglementaires et qui sont d'ailleurs l'un des meilleurs euh, de, la sous-région, parce qu'un peu partout, c'est dans nos textes qu'on s'inspire pour euh, justement donc euh, élaborer donc des textes au niveau régional ou sous-régional. Mais malheureusement, parce qu'ici on a ce qu'on appelle l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant mhm. régime de la liberté euh, de, presse. C'est vrai, cette ordonnance a été prise euh, sous la transition, c'est-à-dire ce n'est pas euh, avec donc un régime tout à fait, un régime militaire, mm. mais lorsque les autorités élues démocratiquement sont arrivées, qu'est-ce qu'on constate On constate de plus en plus que cette ordonnance, cette ordonnance est pratiquement mise de côté et que les gens ont pratiquement tendance à recourir au pénal pour gérer des problèmes avec euh, les journalistes. On va revenir euh, justement sur ça parce que mhm. c'est ce qu'a eu à déplorer RSF euh, justement. Nous allons d'abord aborder cette thématique choisie pour la célébration du 25e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui sera donc célébrée demain. Le thème c'est donc médias, justice et état de droit, le contrepoids du pouvoir. Quelle lecture faut-il faire de ce thème Jibril Saïdou. Mais je l'ai dit tantôt, je dis que c'est une euh, c'est un thème euh, assez euh, évocateur de, de comment la relation entre les médias, la justice, dans un contexte d'état de droit, doit se faire. Cela pose aussi toute la problématique du droit du public à une information saine, à une information de qualité. Mmh. Cela pose aussi la problématique que les pouvoirs politiques ont de garantir une meilleure distribution d'informations et de manière équitable et indépendante. Cela pose aussi, ou disons, ça enjoint aussi aux professionnels des médias de faire preuve d'un surcroît de professionnalisme d'un surcroît de responsabilité dans leur travail. Donc de part et d'autre, chacun a besoin de l'autre pour que ça puisse avancer, pour que l'édifice commun soit maintenu. L'édifice commun ici, c'est l'État. Mhm. Donc c'est important qu'il y ait euh, une sorte de d'environnement qui soit favorable à un exercice responsable et libre de la presse. De notre côté, est-ce que vous pensez que nos médias sont suffisamment outillés pour jouer ce rôle de contrepoids Mais évidemment, vous savez, euh, dans la démocratie, euh, en fait, vous savez, dans la théorisation du, pouvoir, on parle du pouvoir euh, politique, en fait, du, du pouvoir législatif, on parle du pouvoir judiciaire, on parle de l'exécutif. Mm-hmm. Mais dans le langage courant, en parlant de la presse, on parle du quatrième pouvoir. Mhm. Cela veut dire que les médias sont un contre-pouvoir réel aux côtés des organisations de la société civile, aux, côtés des autres groupes de pression. Donc, les médias peuvent, pour le cas du Niger, jouer effectivement ces rôles parce qu'ils l'ont. Euh, il ne faut pas oublier que la presse nigérienne a été quand même à l'avant-garde de plusieurs luttes démocratiques dans ce mhm. pays. Deuxième chose, c'est que ces rôles, pour qu'ils soient davantage joués, pour qu'ils soient mieux joués, il faut aussi que euh, les, les, textes qui garantissent un meilleur exercice de la profession de journaliste soient respectés. Vous avez parlé tantôt euh, de cette question euh, de dépénalisation, de déclaration de la table de la montagne. J'espère qu'on va parler aussi de ces sujets, mais c'est pour dire que, effectivement, au Niger, les médias peuvent bel et bien jouer leur rôle de mhm. contre-pouvoir, mais à condition que les professionnels des médias eux-mêmes prennent conscience du poids ou de la responsabilité qu'ils ont de bien jouer ces rôles. Mhm. À condition aussi que ceux qui sont en face, que ce soit les détenteurs du pouvoir étatique ou ceux qui sont des acteurs non étatiques, admettent aussi que l'exercice de la liberté de la presse est un principe sine qua non en démocratie. Moudi Moussa, quel obstacle peuvent-ils rencontrer ces médias au plan national, au niveau de l'accès à l'information et au plan sécuritaire pour jouer ce rôle Alors, euh, ici, vous l'avez dit, permettez-moi d'abord de revenir sur euh, le thème parce que le thème, effectivement, comme vous l'avez dit, médias, justice, état de droit, contrepoids, je pense que ce thème a été très bien réfléchi. Mhm. Et j'avais voulu qu'au niveau, par exemple, euh, de, ici au plan national, mhm. qu'au lieu du thème, vous m'excusez d'ouvrir cette parenthèse, du thème qui a été arrêté ou choisi pour marquer la célébration de cette journée cette année, qui est rôle et responsabilité des médias mm. en démocratie. Au lieu de ce thème, j'avais souhaité qu'on maintienne ce thème n'est-ce pas, et retenu au plan euh, mondial parce que effectivement il traduit euh, la situation quelque part au Niger. Parce que euh, ce qu'on rencontre, ce qu'on constate ici, c'est que vous savez, les médias, la justice, c'est en fait quand les deux là fonctionnent mm-hmm. qu'on peut parler même d'état de droit. Et c'est en ce moment qu'on peut espérer une démocratie dans une république. Mais tant que ces deux vont mal, je vous assure que ça ne vaut même pas la peine. Il mhm. On a quelque chose, autre chose, mais ce n'est pas euh, de la, démocratie. Or, on le voit ici, les obstacles sont nombreux. On a commencé déjà à évoquer beaucoup. On a parlé des redressements fiscaux qui sont véritablement des, des obstacles réels. Pourquoi je l'ai dit parce que, vous savez, on va, parler, des autres obstacles puisque nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous trouvez d'autres obstacles, notamment euh, des obstacles liés à l'information, euh, l'accès à l'information des journalistes oui, mais par rapport à l'accès à l'information des journalistes, euh, c'est un secret de polichinelle. Ça a été le problème euh, de, tout le temps, pratiquement, malgré les textes qui existent. Et c'est là où je vous dis que c'est un peu, dommage pour nous, parce que les textes sont là, mais ils ne sont jamais respectés et donc jamais appliqués. Si on s'en tient aux textes normalement, l'accès à l'information publique ne devait même plus être un problème pour les journalistes. Mais aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête pour les hommes des médias d'accéder, n'est-ce pas, à l'information euh, euh, publique. Et ça, c'est pratiquement un problème. Et c'est ce qui fait que vous allez remarquer, euh, en tout cas au niveau de certains journaux ou même des médias de la place, beaucoup de, comment on appelle ça, de fausses informations souvent qui circulent parce que, bon, quelque part, on a tenté d'avoir les, les informations, ça n'a pas été euh, euh, facile. Et donc, on revient souvent avec les quelques euh, éléments d'infos qu'on a qui sont insignifiants on complète par ce qu'on pense et vous voyez, et là, c'est pas intéressant. souvent, souvent, par rapport à ça, l'État avance euh, des arguments, comment dépasser les obstacles sans pour autant se mettre en porte-à-faux avec la notion de sécurité publique ou de sécurité intérieure, notamment sur des questions sensibles, qu'elles soient sécuritaires ou non, comme euh, des catastrophes humanitaires ou sanitaires, menaces sécuritaires et autres. Non, mais ici, c'est que le problème, euh, pratiquement, c'est à tous les niveaux. Si on avait, par exemple, dans le cadre de la défense, ou mm. de la sécurité, on peut comprendre mais c'est dans toute l'administration pratiquement. C'est un problème général, ce n'est pas seulement au niveau d'un secteur ou d'un autre, c'est général. le problème d'accès à l'information, euh, en tout cas publique, est réel au Niger. Ce n'est pas seulement sur le plan euh, sécuritaire ou je sais pas mmh, les mmh. autres euh, aspects que vous avez évoqués souvent les journalistes sont obligés de faire pression même pour que le gouvernement, les autorités se prononcent par rapport à des sujets. Dans le but de faire euh, de cette liberté de la presse une réalité au Niger, nous disposons depuis 2010, Moody a eu à le dire, d'une ordonnance portant régime de la liberté de presse. Elle date du 4 juin 2010. RSF, euh, nous l'avons entendu, déplore le fait que nos confrères ne soient souvent pas jugés sur la base de cette ordonnance, mais avec des articles du Code pénal qui est du droit général. Selon vous, euh, Jibril Seydou, pour quelles raisons cette ordonnance n'est-elle pas utilisée comme base dans les différents jugements euh, je ne dirais pas que cette ordonnance n'est pas utilisée, mais disons que pas y a, suffisamment, on peut euh, dire. on peut on peut dire que est déplorable de constater que pour la plupart des cas, lorsque un journaliste est attrait devant les tribunaux, on, invoque plutôt des dispositions du droit commun mm-hmm. et euh, en lieu et place des dispositions du droit spécial qui est là. Le droit spécial ici, c'est l'ordonnance mm-hmm. euh, euh, portant régime de la liberté de la presse. Je voulais juste préciser que cette ordonnance, puisque j'avais eu la chance en 2010 de participer aux États généraux de, la presse et de la mm-hmm. communication, États généraux à l'issue desquelles cette ordonnance a été entérinée. Mhm. La dépénalisation ici euh, du délit, ou disons la dépénalisation de certains délits commis par voie de presse, puisque ce ne sont pas tous les délits, ils sont au nombre de trois. Mm. En ce qui concerne ce texte, c'est le délit de diffamation, c'est le délit de propagation de mauvaises, euh, de fausses nouvelles, c'est aussi le délit d'injure. Donc on s'était dit que ce n'est pas la peine que euh, si par exemple Moody euh, s'est mépris en diffusant une nouvelle qui s'est avérée fausse, est-ce que c'est la peine de le détenir de façon provisoire même s'il devait comparaître devant un magistrat. Donc il faut déplorer cette euh, systématisation de la détention préventive pour des délits pour lesquels très souvent des journalistes ont eu ont, eu à comparaître devant les juges, vous avez vu que dans la plupart des cas, c'est la détention préventive qui a été mise en avant. Deuxième chose, c'est que ce combat pour le respect des, textes régissant la presse ou garantissant la, la liberté de la presse, c'est un combat qui doit être porté d'abord et j'ai dit toujours par les organisations socio-professionnelles des médias. Il ne faut pas parce que souvent, on profite de, disons, du silence ou de la nonchalance des organisations socioprofessionnelles du secteur pour continuer à sévir. Donc il est de la responsabilité, il est du devoir impérieux des journalistes eux-mêmes de défendre leur corporation. Mais la liberté, la dépénalisation du délit de presse pour la gouverne de beaucoup de gens, cela n'est pas synonyme de licence à tout faire pour les journalistes, mais c'est synonyme de responsabilisation aussi des journalistes. Et je pense que c'est, les journalistes, euh, pour la plupart des cas, doivent faire preuve davantage de responsabilités aussi dans le. Nous revenons, nous allons revenir sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Vous avez déjà donné votre point de vue par rapport à cette loi. En fait, c'est les journalistes ou plutôt souvent euh, leurs défenseurs qui disent que c'est plutôt euh, cette loi qui n'est pas respectée euh, relativement à ces questions. le président de la République, Issouf Mohamedou, est le premier chef d'État africain à avoir signé la déclaration de la montagne de la table visant à abolir les lois sur la diffamation et l'injure publique en Afrique, un événement que nous il y a quatre ans au plan national comme Journée nationale de la liberté de la presse, force est cependant de constater, malgré cet acte posé, le pays apparaît régulièrement au bas des classements de RSF. Comment comprendre cette situation Est-ce que, en quelque sorte, il y a un petit impact qu'on peut trouver en lien avec euh, cette déclaration Moudi Alors, euh, cela prouve tout simplement, à mon avis, que c'est vrai, le président a eu ce courage politique euh, d'être parmi les premiers à apposer sa signature sur euh, cet important texte, la déclaration de la montagne de la table. On l'a tous. Quel est son apport actuellement euh, Absolument, mais c'est là où je voulais en venir. On a tous applaudi cet acte de signature, mais et euh, pratiquement des années après, on se rend compte que c'est juste l'acte qui a été posé, mais dans les actes, pratiquement, euh, c'est euh, légèrement suivi. Et c'est ce qui d'ailleurs amène à tous ces reculs que vous constatez. Parce que normalement, dans un État où un président de la République prend un engagement, pour dire par rapport, en tout cas, à, telle chose, voilà, moi, ma position. Je pense qu'il n'est plus question d'assister à un quelconque Les autorités qui euh, accusent euh, souvent les journalistes de ne pas être assez rigoureux dans le respect de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice du métier. L'on se rappelle le 18 avril dernier, à la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a même adopté le projet de loi sur la communication audiovisuelle ainsi que celui de la loi organique modifiant et complétant la loi du 7 juin 2012. En gros, il faut dire qu'à à partir de l'adoption de ces dispositions, désormais, le président du Conseil supérieur de la communication ou le bureau a la prérogative de prendre des mesures conservatoires euh, d'arrêt immédiat euh, de la diffusion d'une émission ou de la fermeture d'un organe. Pensez-vous que cette décision va aider à améliorer les problèmes indexés, notamment la rigueur et l'éthique professionnelle Maudit, en une minute. Euh, monsieur Deji, en fait, vous savez, c'est là où on dit le ridicule ne tue pas au, Niger. Mais où est-ce qu'on a déjà vu ça Donner plein pouvoir à un président d'un organe régulateur, n'est-ce pas, de décider on fermeture. Par, exemple, lorsqu'il y a atteinte euh, à la sûreté de l'État, lorsqu'il y a des, propos qui portent préjudice à la cohésion nationale, C'est des mesures. moi, je ne vois pas ce qui nécessite, en tout cas, la prise d'une telle euh, décision normalement. Parce mhm. qu'aujourd'hui, au Niger, pratiquement les médias sont suffisamment responsables. Et je l'ai dit, on n'a qu'à se référer au, classement RSF qui avait, depuis des années, en 2012 je crois, situé la responsabilité donc de la dégringolade à laquelle on avait euh, assisté à l'époque sur le classement du Niger, la responsabilité donc sur les hommes des médias. Mais depuis lors, on ne parle plus des hommes des médias, c'est plutôt des pouvoirs publics qu'on parle. Donc le vrai problème, c'est cela, c'est de voir, parce que Michel, depuis pratiquement toutes ces années, toutes les entraves auxquelles on, constate, n'est-ce pas, toutes les attaques à l'endroit de la l'encontre, j'allais dire, la liberté de la presse proviennent exclusivement de l'exécutif. Vous avez parlé de la fermeture du groupe de presse Labari dans les conditions qu'on a décrites. Vous avez parlé des redressements fiscaux qu'on connaît très bien. Vous avez parlé des reporters qui sont agressés sur le terrain. Quand vous prenez pour le cas des redressements fiscaux, c'est le ministère des Finances. On a, pour les, vu toutes ces failles du côté des, autorités. Parlons à présent des conditions de travail des journalistes sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que le travail soit bien fait elles sont, elles sont précaires, ces conditions. Nous les connaissons tous. Aujourd'hui, il y a des médias, par exemple, dans lesquels les journalistes sont payés à moins de 50 000 francs le mois. C'est un secret de polichinelle. Et nous, ce que nous avions préconisé à ce niveau, au niveau du Sénatique, parce que ce n'est plus important de revenir sur les problèmes, je pense qu'on les connaît tous, c'est que nous avions toujours défendu. La solution, on la voit à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le respect, d'abord la mise en application ou l'adoption de la convention collective, je vais dire, n'est-ce pas, des de, comment on appelle ça, des journalistes. La convention collective, la loi sur la publicité, il faudrait qu'elle soit mise en œuvre. Au-delà de ça, il faut aussi que... Dans une minute, nous allons finir. En gros, il faut améliorer les conditions il faut de travail. Améliorer Est-ce qu'il y a un appel à l'endroit des journalistes pour un meilleur respect de l'éthique et de la Il est dit, par exemple, par le Conseil supérieur de la communication qu'il faut renforcer la formation des journalistes. Est-ce que vous partagez au moins ce point de vue Je suis d'accord qu'il y a des manquements au niveau des journalistes. Mais le plus gros problème, ce n'est pas au niveau vraiment des, journalistes PDJ. Parce que moi, je ne voulais pas qu'on déplace le problème. Je ne veux pas qu'on déplace le problème. Euh, peut-être pas un appel, mais je vais juste euh, faire deux, trois précisions. La première précision, euh, c'est par rapport à l'accès à l'information. Il y a une charte. il y a une charte qui n'est pas encore mise en œuvre. C'est malheureusement la fin du forum du studio Kalango. Monsieur Djibril Seydou, nous nous excusons de. Voilà, merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de deux confrères, Moudi Moussa du Sinatic et Djibril euh, Seydou, qui est journaliste à la réalisation. C'était Moustapha Et à la technique, Seine Saka, au micro, Michel Deji. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne journée du 3 mai à toutes et à tous.